Euh, espace presse la parce que match bi nga xamante match football bi mooy Mbour Stade am na ci ba nga xamante ne ñu ñëwee au niveau du Mbour Stade nga xamante ne foofu ci bërëb bi bindoo presse bi bu ñu ñëwee dañuy prévoir des pupitres avec une connectivité boo xam ne bu ñu ñëwee dañuy connecté wu directement mais l' expérience a montré que bu ñu ñëwee bon est ce que ñàkk connaissance ci wàllu boobu da ngay wax ne da ngay am jafe-jafe Et pourtant, au même moment, vous direz les médias étrangers, vous direz ils sont directement les des à l'usage et ça, c'est pas compliqué. Donc, je pense qu'il y a un grand changement de cours Mais ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire dans cela, c'est qu'avant le jour J, vous avez une séance de petit, vous expliquer les li nga xamante ni moom de soxla mais aussi des tests d'utilisation avant avant qu'on a fait le jour J pour lui retransmettre a un problème donc, comme vous avez bien identifié la difficulté, pour euh, lui trouver une solution, ça ne devrait pas être compliqué. Il faudra simplement coordonner avant qu'il y ait solution. Effectivement, c'est un excellent plan d'action. Peut-être que Benet aspect aussi, euh, moi, c'est depuis la mise en œuvre de espace presse, parce qu'à travers le comité de communication, il y a un petit comité d'organisation. Je pense que y a une expression de besoin, nous avons déjà à leur niveau, nous concrètement ban cible la ñu c'est-à-dire que presque, parce que presque bi ñu donc voilà c'est un peu diversifié ça échappe des voix, au dernier moment c'est li unions donc je pense que c'est depuis la l'expression du besoin qui se passe bi maintenant nag xaw ma les comités d'organisation bon ci alors peut-être ils vont nous préciser mais je comprends que am ay habilitation dafay am ay habilitation oui, accréditation. Euh, L'espace presse est à la résidence. Donc, là, ça va être aussi, départemental de Kibarol, les mesures, Inch'Allah, il y donnons l'accréditation. chargé de la communication et la santé, parce que moi, je ne donner pas le D'accord, mais de toute façon, ce que je vois, moi, il y a un problème technique, mais un problème de coordination. Comme c'est un problème de coordination, il vaut mieux, avant de y ici, il y ait une bonne wax leen fi ñu war ensuite nan lañ ko war utiliser à tiers 1 alors maintenant on passe au point sécurité gendarmerie ni ngi waxone tout yi ci affaire liggéeyu poste bi comité d'organisation bi nga wax di démb dem nañ tester ba xam ni ndox ñoo na fa nga indil ñu côté